Vendredi 26 avril 2024, chers auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous de la mi-journée, le Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Fanta suis avec moi Samira Roissy, pour la présentation. Bonjour Samira, comment tu vas ce matin Je vais très bien Fanta et toi ça va Ça va aussi, Alhamdulillah. Alors nous avons quoi au menu ce matin comme d'habitude, nous allons débuter avec le flash d'informations et aussi de la bonne musique nigérienne. De la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons entrepreneuriat. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons Nouratu Omoru Elle est slameuse et actrice à ses heures perdues. Mais aujourd'hui, avec elle, nous allons parler de ce monde fascinant des rimes et des mots, le slam bien évidemment. Et toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport, l'écho des régions qui nous amène à Filengue, région de Tilaberi, pour parler du mécanisme traditionnel de gestion des conflits conjugaux. Et du loter aussi avec les femmes du studio Kalangu, sans oublier la culture linguistique avec Alamine wachar Enfin, nous écouterons les messages vocaux de nos auditeurs. L'édition est assurée par Adam adawaki et aujourd'hui à la technique, c'est Amina Hassan. Top, c'est parti. de suite le flash d'information avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Samira, bonjour Fanta. Bonjour Rafika. Alors nous débutons ce flash avec l'arrestation hier jeudi 25 avril du directeur de publication du quotidien nigérien L'Inquiéteur. Monsieur Idrissa Soumana Maïga a été interpellé par la police judiciaire. Pour l'heure, les raisons de son arrestation sont encore inconnues. Le cadre d'action des professionnels des médias appelle au respect de la liberté de la presse. Ensuite, dans le cadre des négociations en cours avec le gouvernement américain et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, l'ambassadrice américaine au Niger, Kathleen Fisgiboun, et le général de division Ken Ekman ont rencontré des responsables du CNSP à Niamey hier 25 avril 2024. Objectif, entamer des discussions sur un retrait ordonné et responsable des forces américaines du Niger, rapporte une déclaration de presse du porte-parole du ministère américain de la Défense publiée mercredi. De la semaine du, 29 avril, Christopher Maillet et le lieutenant général Doug Anderson tiendront des réunions de suivi à Niamey pour coordonner ce processus de retrait en toute transparence et le respect mutuel, indique le communiqué. Et enfin, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Elle est célébrée comme chaque 26 avril. Elle représente une occasion essentielle pour sensibiliser sur l'importance des droits de propriété intellectuelle. Cette année, elle représente aussi l'occasion d'examiner la manière dont la propriété intellectuelle encourage les solutions innovantes et créatives dont nous avons besoin pour construire notre avenir et peut en amplifier les effets et c'est tout pour le flash de ce matin. Merci beaucoup Rafika. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, nous recevons Nouratou Hega, artiste slameuse. Bonjour Nouratou. Bonjour Samira, bonjour Fanta. Bonjour Noura. Bonjour. Avant donc de plonger dans le débat, nous allons d'abord faire un premier tour en musique avec votre titre Ma lettre. Mm, d'accord. <laughs> Bien debbo di jula, da jula, Ma fille, mon étoile, reçois cette lettre ornée de basse poil De peur que ça ne soit public, je ne l'ai publiée sous la toile. J'ai préféré te la garder dans un coffre à la merci de ton oncle Antoine. C'est qui est sûr, et respectera mes consignes, et te remettra ta lettre quand tu seras assez mûr. Aujourd'hui, tu dois avoir 21 ans, oui, tu es majeur. J'aurais voulu être avec toi à cette heure. Pour cela, je me suis battue jusqu'à ma dernière sueur. Mais c'est la vie. On vient, on vit, on meurt. Je sais que tu pleures encore mon absence. Alors, ma fille, je te dirai prudence dans ta vie et les projets dans lesquels tu te lances bien d'abord. Écoute ma fille, tu verras des préjugés, tu verras des clichés, des obstacles à briser. Parce que tu es femme, oui, parce que tu es fille. Surtout ma fille, n'oublie jamais ton voile. Ne défile pas ton corps nu sur la toile. Ça sera la mode d'un peu de temps les photos à poil. Mais sache que les hommes apprécient les filles qui se rendent toile. Bien d'abord. Bien d'abord, tu me halles. Ah da jula jula boga tu en rencontreras c'est naturel d'autres traiteront de gazelle d'autres diront d'elle mais n'acceptent jamais d'être leur poubelle de manière structurelle tu verras ce qui se présentera à toi avec beaucoup de potentiel. Tu verras les mecs trimestriels, les mecs semestriels, les mecs annuels, les mecs pro-sexuels. Mais viendra celui-là qui fera de toi son essentiel. Tu seras son arc-en-ciel, je t'assure, ça sera pas de l'habituel. Il te présentera comme sa femme officielle et tu verras un amour immortel. Hommes, c'est ainsi qu'on les appelle. Mais ma fille, ils sont différents dans leur fabrication que moi je dirais industrielle. Je ne connais pas ton homme actuel, mais je souhaite qu'il soit doux comme ton père. Bien dépôt, bien dépôt, bien dépôt, bien dépôt. Ma fille, fais attention dans le choix de tes amis. Car là, l'ami d'aujourd'hui peut être demain l'ennemi. Certains de leurs sourires se cachent la haine. Bien dépôt. Et pour finir, promets-moi d'être respectueuse d'être affectueuse, de partager assez de bonne humeur partout où tu passes. Car dans cette vie, on vit et on trépasse. Bien deppo, achumi halane, tayem di jula, tayem da jula, da di jula, da de fuke par kala bien deppo kala jula. Deppo slam. Voilà, c'était le titre Ma lettre de Nourat Hegala de Boslam que nous avons l'honneur de recevoir ce matin en direct dans notre studio. Rebonjour Nourat. Bonjour Fanta. Alors, parlez nous euh, un peu de ce titre qui vient de passer. Quel est le concept ou le message caché derrière ce titre euh, Le titre Ma lettre qui est aussi l'un de mes premiers titres c'est mon tout premier clip que j'avais lancé en 2020. C'est un morceau qui parle d'éducation, de, mœurs, qui parle de, jeunes filles, qui parle de femmes, parce que je me suis dit, euh, ma voix, c'est mon arme, alors je dois lancer des messages. L'histoire, c'est une femme qui décédée qui a laissé une lettre à sa fille mhm. dans euh, le titre Ma lettre. Et dans cette lettre, elle parle de, du quotidien, de la vie à sa, fille pour pouvoir l'aider. Au moins, si elle n'est pas là, la lettre est là pour pouvoir l'aider à grandir. Elle lui parle de l'habillement qu'elle doit, comment elle, doit s'habiller, comment elle doit se tenir. Mhm. Merci. Comment elle mhm. doit se, se tenir en public, de faire attention à tel ami, tel ami, tel ami, et pour pouvoir l'accompagner dans, dans son, dans son projet et euh, c'était donc euh, notre première note musicale, comme je viens de le dire. Alors, Nourad, qu'est-ce qui vous inspire euh, dans vos créations slam Le quotidien. dans, chaque, dans chaque texte, il y a une partie de moi. Mhm. Et beaucoup de slameurs vous, vous, le diront, ils écrivent sous les coups des émotions. Euh, ça dépend de, l'inspiration, de peut-être dans une discussion, un mot que quelqu'un te lance, de, euh, dans un message ou carrément tu te lèves le matin et voilà, tu, es inspiré par telle chose, de l'actualité aussi. Euh, donc c'est vraiment le quotidien qui, nous inspire. Mm-hmm. Alors, comment décriviez-vous, vous plutôt l'importance de l'islam, la poésie islam dans votre vie sur, sur une échelle de, de 10, je dirais 9. <laughs> Euh, parce que au-delà de, l'aspect communication, au-delà de euh, ça, c'est un métier pour moi. Mm-hmm. C'est un métier pour moi et c'est très très important dans ma vie. J'arrive à m'exprimer, à dire tout ce que je, je ressens, mais de manière poétique, et c'est très beau. J'arrive à me lancer dans le social, j'arrive à, à subvenir aussi à mes besoins parce que c'est ça aussi la, la rentabilité de, euh, d'un métier qu'on exerce. Mhm. Et c'est, c'est très important dans ma vie, le slam et la poésie. Euh, quels sont les thèmes qui reviennent assez souvent dans vos œuvres quand vous les composez Femmes et enfants. Mhm. femme Femmes et enfants parce que je suis femme. Aujourd'hui, euh, ma voix porte, alors euh, j'ai voulu être la voix de mes semblables, la voix de mes semblables, euh, amener mon <coughs> art dans la lutte contre les violences basées sur le genre, amener, amener mon art pour magnifier la femme, pour la protection de l'enfant. Donc, ces thématiques reviennent à chaque fois dans, mes textes. Sur le surnom des Bousselins je suppose. <laughs> Debo, ça veut hein. Donc, euh, la femme qui slam, mm-hmm. euh, pour dire que, bon, voilà, le slam est revenu au féminin. <laughs> <laughs> Justement, en parlant de vos thèmes, en quoi pensez-vous que le slam peut être un outil efficace pour exprimer des messages de résilience ou d'autonomisation pour les femmes ici au Niger euh, Pas le slam seulement, moi, je dirais l'art euh, en général, parce que aujourd'hui, euh, artistes, nos voix portent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous, nous avons de l'audience. Artistes, nous sommes euh, les artistes sont écoutés. Artistes, euh, nous avons vraiment une base de données à grande échelle. Donc euh, aujourd'hui, les questions de résilience, d'automisation euh, de la femme, si, si ma voix porte, si je peux faire des textes sur ça, et les textes iront très très loin, mhm. alors ma voix est pour la sensibilisation. D'accord. Et est-ce qu'il y a spécialement des artistes slam, femmes ou hommes, qui vous ont inspiré, qui vous ont poussé à être slammeuse? Hmm, la liste est longue. <laughs> la liste est longue parce que je ferai un coucou à. Hum, Amalika de, du Burkina, euh, mhm. l'idole du, du, Cameroun. C'est des gens que je suivais beaucoup, que je continue de, de, suivre aussi. Et sincèrement, sincèrement, leur, euh, leur processus, leur carrière m'a beaucoup impacté. Et aujourd'hui, je suis sur, leur trace, si je peux le dire. Mhm. Et vraiment, merci à elles d'être euh, des stars. <laughs> Alors, merci Nougat. Dans cette première partie, nous avons retenu que pour vous, euh, le slam occupe euh, une place très très importante dans votre mhm. vie et que vraiment la femme et l'enfant sont des choses sur lesquelles vous portez euh, un grand A, si je peux le dire ainsi, pour les aider, surtout parce que vous, êtes, vous dites vous êtes femme et c'est vraiment bien. Avant de poursuivre nos échanges avec vous, nous allons passer à la revue de presse qui nous est présentée ce matin par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Samira, bonjour Fanta. Bonjour Mokhtar. Alors, journée nationale de la concorde au-delà euh, du symbole titre du journal en ligne Niger Diaspora. Et oui, Samira, selon le journal, le Niger a célébré mercredi 24 avril 2024 la journée nationale de la Concorde, date anniversaire de la signature de l'accord de paix du 24 avril 1995 à Niamey entre le gouvernement et l'organisation de la résistance armée. Cet acte historique du 24 avril 1995 a posé les jalons et crée le cadre propice à un dialogue permanent sur euh, les raisons ayant poussé certains citoyens à prendre euh, les armes, euh, nous informe le journal en ligne Niger Diaspora. Par la suite, d'autres accords complémentaires ont été signés, dont ceux du 25 mars 1995 à Ouagadougou au Burkina Faso, du 28 novembre 1997 à Alger et du 21 août 1998 à N'Djamena au Tchad. Le clou de ce processus de paix a été l'organisation de la cérémonie de la flamme de la paix à Agadez le 25 septembre 2000, nous détaille le journal en ligne Niger Diaspora. Et quant à l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, il titre en gros Les amères vérités du ministre Barquet aux sociétés d'exploitation du pétrole quand le Niger reprend ses droits. Et oui, Fanta, selon le journal, le samedi 20 avril, lorsque le ministre du Pétrole, Maman Mustafa Barke, a convié les sociétés d'exploitation du pétrole à une réunion d'information, elle imaginait sans doute les contours que prendrait une telle réunion, nous rapporte le journal Le Monde d'aujourd'hui. Premièrement, le ministre Barquet a notifié aux partenaires qu'à partir du 20 avril, date de la réunion, les sociétés d'exploitation et de gestion n'ont plus le droit de signer des contrats de prestation avec des entreprises et groupes d'entreprises étrangers et dans les domaines de compétences maîtrisés par des sociétés nigériennes, nous informons le monde d'aujourd'hui. Le deuxième sujet d'information formation et sur euh, le recrutement euh, se faisant par euh, le biais de cabinets de placement qui s'enrichissent sur les dos des personnels recrutés, une pratique mafieuse et esclavagiste à laquelle le CNSP et le gouvernement ont décidé de mettre fin. Quant au troisième sujet abordé, le ministre du Pétrole a transmis à ses hôtes la décision du CNSP et du gouvernement de vérifier à travers des audits qui seront du bientôt afin d'avoir une vision claire de ce qui a été fait jusqu'ici, relever les manquements et proposer des corrections appropriées sans délai, poursuit le monde d'aujourd'hui. L'ampleur euh, est de plus en plus inquiétante et celui de la mendicité au Niger à titre de son côté l'hebdomadaire Le Courrier. Et oui, selon le journal Le Courrier, la première des choses que l'étranger qui débarque au Niger constate est l'ampleur de la mendicité au Niger. En tous les coins de rue, les ronds-points, les mosquées, les services, et partout grouillent des mendiants de tous les sexes et de tous les âges, explique le journal Le Courrier le moindre handicap physique est prétexte pour s'adonner à cette activité, somme toute dégradante. Il est vrai que la nécessité impose ces lois du foie à l'être humain et l'amène à, chercher coûte que coûte sa puissance auprès de son prochain pour sa vie. Mais pour beaucoup de cas, l'on est passé de la nécessité à la professionnalisation, indique le courrier. La mendicité est désormais une activité lucrative pour beaucoup, une activité génératrice de revenus, conclut le journal. Et à la une du journal en ligne Actu Niger, on peut lire le retrait des soldats américains du Niger, une délégation américaine à Niamey, un processus coordonné et responsable. Oui, Fanta, selon le journal en ligne à Niger, dans le cadre des négociations en cours entre le gouvernement des États-Unis et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, une délégation américaine est à Niamey pour entamer les échanges sur les modalités d'un retrait coordonné et organisé des soldats américains du Niger, nous rapporte à Niger. Le principe de l'arrivée de cette délégation a été arrêté la semaine dernière à l'occasion des échanges à Washington entre le Premier ministre de transition Mohamed Ali Laminzen et, et euh, le sous-secrétaire d'État américain Kurt Campbell qui est également attendu dans la capitale nigérienne les prochaines semaines pour discuter des nouvelles perspectives de coopération entre le Niger et les États-Unis d'Amérique, conclut le journal. Et c'est tout pour la revue de la presse de ce vendredi 26 avril 2024. Merci beaucoup Mokhtar et bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci et nous allons donc poursuivre avec notre invité Nourat. Alors Nourat, est-ce que vous avez euh, des conseils à partager aux autres sœurs qui aspirent à faire du slam euh, Je leur dirais, lancez-vous. Lancez-vous parce que euh, dans ce domaine du slam, on n'est pas, euh, les femmes, on n'est pas nombreuses. Hein. ça nous fera vraiment plaisir d'accueillir d'autres sœurs slameuses. Lancez-vous, écrivez beaucoup et il n'y a pas de sujet tabou dans le slam. On peut dire la chose la plus laide, mais de façon beau Lancez-vous, il n'y a pas de tabou et faites confiance à vos émotions. Super, euh, nous connaissons déjà ce concept euh, euh, de retours la Boslam récemment sur la toile. Déjà, nous nous posons des questions sur c'est quoi des Boslam, <laughs> tu fait tout à l'heure. Mhm. Et là, nous tombons encore sur un autre concept qui est la Débosland. Pouvez-vous nous éclairer la un peu plus La la c'est hum, le titre de, mon tout premier album, qui est d'ailleurs le, tout premier album slam féminin au Niger. Et Bossland au royaume de ma plume, c'est vraiment une façon de, de vous amener dans mon monde, d'amener tous ceux qui est écouteront l'album d'un moment euh, sur euh, peut-être ma terre promise, sur ma terre de, rêve. Euh, c'est une façon euh, de faire découvrir aux autres qui est Nourat, qui est la femme nigérienne, son quotidien qui est aussi le quotidien des autres, et ses émotions qui sont aussi les émotions des autres, sa vie qui est aussi la vie des autres. En tout cas, peu importe celui qui écoutera l'album se retrouvera. Nora, une question mhm. un peu plus personnelle. Quel impact est-ce que vous voulez avoir sur euh, les autres femmes slameuses Waouh <laughs> Je veux être un modèle. Je vais être un modèle de, réussite. Euh, euh, être la première femme slameuse confirmée du, du Niger, c'est pas aussi chose facile parce que là, je me dois de réussir dans mon art je, dois montrer l'exemple, pour dire aux autres que oui, femme et artiste, femme et slameuse, c'est, c'est, c'est, ça marchera et ça marche. Donc, aujourd'hui, je dois me tenir bien, je dois bien écrire, je dois faire des clips de, de, haut niveau, je dois faire des sons de haut niveau, le niveau d'écriture, le niveau de, des visuels, pour que la, la, la génération de, slameuses qui arrive sache que oui, telle telle personne s'est arrêtée à ce niveau. Mm. Ce qui veut dire que nous, on peut dépasser. Je veux être un exemple, mais j'espère qu'un jour, il y aura une slameuse qui va dépasser ce niveau, <laughs> sincèrement. Super, alors Nouratou, des projets futurs en vue euh, que vous voudriez partager avec nos auditeurs peut-être oh Oui, euh, dans un futur très très proche d'ailleurs, le 11 mai, le 11 mai 2024, il y aura le lancement de Debosland, le, mon tout premier album. Euh, ça sera à l'hôtel Bravia d'abord puis euh, en octobre, euh, en grand public, euh, ça sera un private show le, le, 11 mai sur invitation où il y aura tous les partenaires, tous les mécènes, tous ceux qui ont, ont fait de ce qu'elle est aujourd'hui, de, du début de sa carrière à, à aujourd'hui, une façon de les remercier, mais aussi de, de leur présenter mon tout premier bébé. Euh, après, en octobre, ça sera un truc grand public. Donc, le 11 mai, vous êtes tous entendus. Super, on sera là. Mhm. <laughs> Et nous avons aussi une tradition dans cette émission. Quand nous recevons un artiste, <laughs> il ne nous quitte pas sans un acapella. Ah. La parole est à vous, nous ratons. Ok, ok, d'accord. Qu'est-ce que je vais faire <laughs> Ils attendront à moi pour jurer de t'avoir aimé. Ils attendront que tu disparaisses pour pleurer ton absence, que tu aies faim pour te tendre un bout de pain, que tu sois en guerre pour promouvoir la paix, que tu sois sur un lit d'hôpital pour venir te montrer combien ils sont aimables, quand tu auras le désespoir pour ami, quand tu n'auras plus foi en la vie et te parleront de religion. L'hypocrisie est à la mode, on juge ceux qui font devant tous ce que nous nous faisons en secret, mais de qui se moque-t-on, de Dieu ou des hommes L'être humain est hypocrite. Si tu l'ignores, c'est que tu l'es aussi. L'être humain est hypocrite. Et si tu le sais, essaie de ne pas le devenir aussi. Merci. Ah. Merci beaucoup, c'est très beau en tout cas ce que vous nous avez proposé là. C'est très très beau. Merci beaucoup nous euh, mm. Nourot d'être passé nous voir ici au studio Kalangu. Nous te souhaitons une agréable fin de journée. Merci Samira, merci Fanta, merci au studio Kalangu, merci vraiment à vous. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fanta, à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'entrepreneuriat. Oui, Samira, la rubrique entrepreneuriat d'aujourd'hui nous amène à la découverte de Selmou Altini, une femme qui vend du bissap et aussi des balais qu'elle achète euh, au niveau des marchés locaux aux environs de la région de Dosso pour revendre à Niamey. Et eh oui, euh, notre reporter Hawa Ousmane l'a rencontrée suivant leur entretien. Il faut rawda ha birgi igaza ne fuley wo iga subi ka nera nera lokaci wani wo ba no hannu sino riga hayo hayo dino nima dukaina kaina to so a to girmar jikan nugo ga wote. wallahi a to jiri hinza ka ayo ara nuga sako isan bugu fundo so num kakin der nyamai ai maka kane nera nyamai hemar wate wo i woni kaina kai iga de iga duma de no iga fifiri kande kanera de hemaro bisa to koy ne kalde bor ya kadi hino de wodi barkal bor ma de to son ru no dum bon go gade no ay go gade no wallahi ay go gade no woni bi fodi wallahi sako aba ay ga zambar hinza zakai na de aba zambar hinza zakai to su aga to sako mure kin kan kan dinya mai wallahi ay man dubo sako ki de nai kan dai dine nera dine bani iga hin kaza bor fo yanga kan nera to son din kan de ni gugor nangu fono gnere wal mo de ni go wi ndi ndi ko rara o diga barbare no fa fallan gorawo borsi du barka barbar barbar dina to so barbar ya mudin razar rani ra ni ganyar sa kuma so ba sa ko bursina ka nera girbi hinka zama dai mi no sina amma ba to kan dai mi gono iga nera hinka zarora amma so dai mi sina sa ko ga te bursi girbi hinza to ne gina yake sai na fayin kan nugo gudu waro guda ha birjo ne re wora to barga dure kai kai kan ni muradu kai na feri barga du i hanano mm. to ni kani du zambar woi to anki ate Mhm. dama abe dama mi mhm. <laughs> wallahi da borka da ihan hono borka du woki di idiya woki di biya kan borka du to na fa fu hen dum no Na no wonna de ran do ga na fu no de ne dai windi ne dai yawo yan ne dai hinki ne ha kun nay man de kun kai dai kai du kai dai am ko kai dai ngwa kai ni ngade no wallahi <laughs> ni gwanda zan yan ai wallahi gwanda zan kan tubari to so ni zan kai inge mboni don gandi ne ran do wallahi go fu de gorre ha isiga boy kulute kindey go talibe kindey go dai fuya ga muradu muradu almani almani do hari agoya to son ka din nera ni ge gefu? kai ka dai nera ai ga yefu ya an ku ka du kai na kadi ko ni bor du kai ni ko ni ga dai mari kai ni ga du kai na kadi kai ka ka ko ala ga wudi ga ban bor ga ya ka kar kar ko ma du kai na din ko ma ne ma di kai na ma di woni mo kai ka Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire sur l'entrepreneuriat. Marquons une autre pause musicale avant de continuer, n'est-ce pas, Samira Et oui, Fanta, et je propose le titre Yeti Yeta de Abel Zamani, un petit retour aux sources de l'artiste. zikagaruka zamani magambo kuki kwanda kwanda kwanda wanirimo kwanda cette pause musicale que j'espère que vous avez kiffé, c'était le titre Yeti Yeta de Abel Zamani. Fanta, on passe à l'écho des régions. Oui, Samira, et aujourd'hui nous allons parler du Yaji ou Kilala en Hausa. Et c'est quand une femme mariée quitte provisoirement son foyer pour retourner chez ses parents le temps de trouver une issue de solution aux conflits conjugaux. À Filingue pour ramener la femme dans son foyer, on fait recours au mécanisme traditionnel de gestion des tensions conjugales. Généralement, les amis du mari engagent une médiation. Cependant, cette pratique culturelle se dénature et certaines règles ne sont plus respectées. Écoutons ce reportage reportage Lai Dans la société nigérienne, la gestion des conflits au sein des couples diffère d'une communauté à une autre. À Filengue, certaines femmes, en cas de dispute avec leur mari, décident de quitter leur foyer conjugal temporairement en attendant la résolution du problème. Yaji en Hausa ou Funfu en Zerma. Ce choix peut être motivé par divers facteurs, explique Madame Safia mudi manager afilengi. Filengue. Yanzu abin da yasa yawan kilala, dai mata suna da nasu hali, kuma maɗiya maza suna da hali. Sai kaga ka almo diya mace ka ta san mata hali. Ita kawu da ka ta san mata hali nan da nan sai ta gidansu. In ta samu uwa kwarai da zuwa mai kawo ta ga ya ta zamna sai ta ja hannun ya ita da kanta ta kai ta bakin kowar gida ta komo wata ta ce to zamna abin in kasa ya cikici kasa to ba ai haka na an kare ba to Allah ya mishi budi ya samu to samun nan da yayi to ke banza aka barin ki in an barki banza a taya ayo arme a dauko a zaka a fara galla za miki cikin gida yo ki zaka gidan uwa ta mai sheki gobe Selon haji selon alhaji idi Alio, cultivateur du village de Binikan, il existe des mécanismes traditionnels de réconciliation quand une femme sort de son foyer les amis du mari s'organisent pour aller chez les beaux-parents de la jeune mariée afin de la ramener dans son foyer su ga zuwa wurin sarekunan abokinsu sai su yi mai bayani dama suna zan tambayan mijin abin da haɗa su to in sun ka ta yi in akwai lalakun maganganu ciki ba su haɗinsu na kwarai suka haɗi saboda su samu sarekunan zuciya su ta yi sanyi sai a taho da matattun da ta yi kilalana in an ka taho da ita shi ma mijin abokan za su jan kunnen shi to wane in dai bai da gaskiya sai ce mai to wane abu kaza da abu kaza bari yin shi ita kuma a ce mata to ta yi hankuri shi kuma har wa yau a komo a ce mai shi hankuri shi an maharin waɗannan na abokan nan su a unhwanin a ta yi biye kelala unhwanin su ce nan don akwai abubuwa da yawa da suka kashe wutar shi su mai ta wutar bata kama ba Abu mijin nan dai na sani sai dai shi zamani babu ta yadda bai iya kawowa amma in ba shi ba ni banga ana sa mace zuwa biye kilala banga haka nan ba Aujourd'hui, force est de reconnaître que ce mécanisme traditionnel de gestion des conflits perd sa valeur car le processus n'est pas souvent respecté, estime Chebu Haruna, un retraité à Filengi. kilala da saura aka yinta. Mijin ma bai son mata shi ka taba da ita. In ta ta gidansu kuma ota sai ta ba ta ƙarfi. ka gani nan na bambance shi can ko babu mai magana kai da kabbi kai na da magana da ka ce wancan mun to bi sa ce ku tashi ku bi ta in mata gudu ta ta bayan wani sa na kai abin dota ta ko a maida ta to yanzu ga ta kana ji kana gani aka hana ka ita eh ke mina na hada ki a ah, ya ce bai soye min sabuni ya ce bai kaza bai kaza sai a ce eh bai da gaskiya to ko ko shi ya shiga Le départ d'une femme de son foyer conjugal est souvent un acte individuel qui doit être respecté. Mais Les communautés doivent valoriser nos mécanismes traditionnels afin de garantir une gestion non violente des conflits. Voilà, c'était le reportage région signé Bagassa depuis Filengue. Place à présent à la page sport avec euh, Adam Adam Yerima. Bonjour Adam. Bonjour Fanta, bonjour Samira. Bonjour. Alors Adam, la Fédération nigérienne de football a reçu ce mercredi dernier une délégation du bureau de la FIFA. Eh bien oui, l'objectif de cette visite est d'échanger avec la Fédération nigérienne de football sur la situation qui prévaut et évaluer le niveau des mises en place du projet Forward. C'est une occasion également de parler aux hôtes des réalisations faites avec le fonds du projet Forward. Adam, le projet Forward, qu'est-ce que c'est C'est un projet d'assistance de la FIFA au niveau, de la, au niveau des fédérations. Chaque année, la FIFA fait l'évaluation d'une fédération pour mettre en place le fonds qui puisse permettre la gestion courante de celle-ci et aussi pour les réalisations et, les, infrastructures. Cette mission va continuer son inspection au niveau du centre technique de la FENIFOOT, des terrains de Niamey et dès aujourd'hui, l'équipe entamera une visite à l'intérieur du pays à Maradi, à Tawa et à Agadez. Alors, l'équipe nationale du U17 se prépare pour Accra au Ghana. Oui, ça sera du 15 au 29 mai 2024. Pour mieux, représenter le Niger à cette rencontre de la jeunesse africaine, l'équipe U17 est depuis quelques jours à pied d'œuvre pour une préparation générale. Et en tant que spécialiste, Adam, est-ce que vous pensez que le Niger sera prêt pour ce rendez-vous d'Accra Eh bien, il y, a un pour et un contre. Oui, parce que les techniciens de l'équipe du Niger se préparent activement avec les jeunes depuis quelque temps au centre technique de la FENIFOOT. C'est une bonne chose pour une équipe qui compte aller loin dans une compétition. Non, parce que souvent, même si les équipes mettent les moyens pour une bonne préparation, elles n'atteignent pas leur objectif. C'est pour cette raison que je dis que ce n'est pas le moment propice pour pronostiquer sur le sort du Niger, car souvent les outsiders créent la surprise. Donc, euh, affaire à suivre. Eh bien oui, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour, et à lundi pour un autre numéro. <laughs> Super, merci beaucoup euh, Adam pour toutes ces informations sportives. Alors dis-moi Fanta, quelle est l'étoile du jour il s'appelle Seydou Abdou, un jeune en situation d'handicap depuis son enfance. Il fait de l'artisanat, notamment le tressage des chaises, la fabrication des lits et la soudure. Son portrait est signé Fadelalou. Âgé de 30 ans, marié et père d'un garçon, Seydou Abdou est en situation de handicap depuis son enfance. Il a refusé la mendicité dans les rues. Pour cela, il est allé apprendre l'artisanat, notamment le tressage des chaises, la fabrication des lits et la soudure. Ah, hein, J'étais tout le temps assis à ne rien faire. C'est ainsi que j'ai décidé de venir apprendre un métier. Quand j'ai informé mes parents, ils m'ont accordé leur soutien total. Aujourd'hui, je peux fabriquer des chaises et des lits. C'est mieux que la mendicité. Tout le temps, je reçois des clients. C'est la passion qui a conduit le jeune Sédou à s'intéresser à l'artisanat. Aujourd'hui, Seydou Abdou subvient à ses besoins grâce aux revenus de son savoir-faire. Il témoigne. Vraiment, j'en bénéficie énormément. J'arrive à subvenir à mes besoins et même à faire des cadeaux à ma famille et à d'autres personnes. Avec mes clients, je n'ai jamais eu de problème. Ils apprécient mon travail, on entretient de bonnes relations. Par manque de moyens pour créer leur propre atelier, plusieurs personnes en situation de handicap ou non sont encore sous la tutelle du chef de l'atelier, Issa Moussa Tondo, responsable du centre. Comme ils n'ont pas les moyens pour s'offrir leur propre atelier et en vue de les mettre à l'abri de la mendicité, je les ai proposé de continuer à travailler avec moi sous forme de contrat, en attendant que Dieu leur ouvre d'autres opportunités le jeune Seydou Abdou n'a qu'un objectif en tête, créer son entreprise et réunir autour de lui les jeunes en situation de handicap afin qu'ils tournent le dos à la mendicité et deviennent des forces de changement et de progrès. Merci Fadel Alou pour ce beau portrait. Chers auditeurs, c'est avec euh, le titre Mariam de Al-Ajitaya que nous allons boucler notre playlist d'aujourd'hui. On vous laisse kiffer. C'était le titre Mariam de Feu à Jitaïa, J'espère que vous avez aimé. Place à présent au loti du jour. Oui, Samira, aujourd'hui, propager des ragots et fausses rumeurs sur autrui. Tout le monde sait que c'est néfaste. Et c'est le sujet que les femmes du studio Kalangu abordent avec sérieux dans le loti. Elles explorent les impacts hein, sociaux et émotionnels de ces comportements dans une discussion entre Rekia Arimi et Samira Rouafi. Et toi-même. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji to sai me abi yake ce ko kuma kuna tare tunda ni a sani na tunda muka bar anguwan nan ba mu sake ganin ta ba a'a ba abukiyar mu bace biki shi abin da ta yi ma'anna ba me ta yi ga cewar mutane magance ta ta yi shine ma sanadiyar rashin lahiya anna <laughs> waye gaya miki wannan zancen mutanen anguwa ke ta yada magana na ce miki kina iya gaya mini me yasa rahina za ta iya ma irin wannan abu? ha ba ke ko kina yi kamar baki sani ba kowa ya san da cewa anna babanta yana da kuɗi kuma a makaranta kowa ya santa wannan ya sa mazaje kyawawa iyan masu kuɗi kawai take ja a cikinta ita kuma rahina kowa ya san cewa su da iyayen nata suna da ɗaya ruhin asiri kenan wannan ne yasa take bakin cikinta tana kishinta har ya kai ga inda ta kai sunan wurin malami don ta kare da ita hmm. ke ma biki yarda da kanki ba a cikin musulminci an ce wallahi zato zunubi ne hmm? kin ga ke yanzu biki sani ba zato ne kike yi to yanzu ni wani labarin ne na shi ta aka yi hanna batta da lafiya ne tana ciwon oda ne na jira kullum haɗina haɗi miki ki bar jita jita wannan ce ce ku ce wallahi babu kyau to amma inda gaske ne kin ce mini in bar jita jita hmm. a'a inda gaske ne ni na ce duniya ce ta sake kishin dan uwanka ya zama ruwan dare ga magare kuma ba kyau kai tawakkali da abin da Allah ya baka yafi kamar yadda Hausawa kan cewa kowa da rayuwar shi kowa da kaddarar shi mm. kamar yadda Hausawa kan cewa kowa da rayuwar shi kowa da kaddarar shi to haka ne <laughs> to ni yanzu in ce ke ma kina kishi na ha a'a dan me zan yi irin abu wani abu irin haka da Allah bari haba to kin gani haka dai yadda kika matse huskan nan haka rahina baiwa Allah zata yi idan ta ji wannan labarin. Hmm, na dai shi. To zo mu wuce. Daga bannan dai ke da karki yi wani ɓoye-ɓoye idan kin gane ta ba ta yi miki komi ba ba ta yi komi ba. To to na dai shi na gane kuma. To ki saki fuska mun kawata dukkin bikin sa juna kamar da ke na yi. Ba dole ba in saki fuska aike ni ke ce nake yi wa wani hali da kake shiga Allah zunubi ne ki bari. <laughs> To kenan mutum. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, chers auditeurs, à présent, nous allons passer à la rubrique culture linguistique et avec Alamine Ouachar, nous allons découvrir ce que signifie le mot concorde en Tamachek. Bonjour Alamine. Bonjour euh, Fanta, bonjour euh, Mira. Bonjour. Euh, mana un concorde dat franciste euh, et euh, mos de fer titi wagat de dabatu ta taqalata fosu e ta waga de jabhatin chena nasuar en niger دغوتي والنجيم اتزع التمر اتزع التمر وين اتسموس السنة تاسا نيت سسو هي من الخير الخير وفري توقف وزدين باتون سسو هن دي توان زمزل ويتوكس انت كاتو تنزل ودغي توقفوس غير السوار دولة النيجر ويدن سنة ساناسا الجبهة شيندين كانت تكوكل الصهد دغبة ست الدين الخروفري توقع أفوس دين استارت مازالا استارت نيجوز نسن شروشي تن الحكوم أتكلت منطقة وين إي موصن ردغرت وين فولي توقع أفوس دولة النيجر دغا دي تفر تن كونكوردات موصر تصوهد تموس تفر نفوس ويتوقعين ست الدينات استاريت نشغلا استاريت مازالا استاريت نتاكو لنشين تاوقو دغا أما دال هو انا فرقنا ويقلنا تمسنا أستصودم داتا لتوقفوا سوين مدن تدودن دارا تنان العزم اللي فرقنا ويقلن أردتن وين زرتنين دغا جبهة شيندين ميشا نزل دا عزانا الحمد لله فلاس يجي نفوس وا يتوقع دي ويدو تاتي ندمارن يدولت النيجر ويدو تاتي ندمارن يجانا تنويننا موصن تمسنا جانا تنكول دانا تنوين موصن الشردن وين السنسنة آه، الصوار أفلي توقع فوس نغادي نو كونكورد ازليموس يموس سزل نمود أنغد كاتيني تيدن إما زلن وينجنين نست الدين نشروف نسا دست الدين نوا موسن دقرونا الحق نسن فلاس جبتن كل شي نجنين قانت غاس في لقمين الحق دغادي الحق ويني توسط دستارت نفوس ويتوقع دا استوقع سم كونكور دغادي مودوا إلى المعنى هو لنا فانتا إي نيجر التتن المرة نيجر دات سمتت سينا مرة Alaykoum salam Alamine, même si j'ai pas compris du tout ce que tu m'as dit là. <laughs> Alors Alamine, merci beaucoup pour cet éclaircissement du mot concorde en tamashek dont j'ai pas compris, mais si nous voulons te dire merci, qu'est-ce qu'on dit Tanamert. Tanamert Alamine. <laughs> Chers auditeurs, euh, c'était là euh, le mot du jour. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir euh, l'explication, que cela soit en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, écoutons ensemble vos messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Mariam Hamadu Sango Alfala Rangu Labara Igogi Hangan Higonda Bonfere Zazan Mitina Faransa Kal Hausa na Kal Fulankina Din Sama Ho Nuga Mafo Igoga Fakare Wabare Zebo de Hai Kurbonde Na Igonda Bonfere Arago Kanir Se Gumgumo Irfe Demi Baya Gajin Mutantan Gubaya Dikin Fo Bumbo Ni Bumbo De Kango Geha Mamata Da Tanda Dorukaya Jamu Gubazino Kango Alfala Igogi Hangan Ya Ala Sarulu Gurguri Gogi Hangan Go Kanir Alhamdulillah Wa Nwa il Ibore Fakara Kigota Go Kanir Se Gumgumo De China kulki gidan kanin sai gunguma game da shirye-shiryen studio kalangu sai mu ce lalle mu masauraran studio kalangu ne kuma muna jin daɗi da suke yi kuma abun da mu suke yi ubangiji Allah biya su sai tu shiri na gaya maka na matasa da kuma shirye-shiryen da suke na azofa da duka wannan abubuwa ne wanda muke so mu saboda ana wayin matasa kai su tu shirin da suke na suna hada da ba game da shaye-shaye game da shomash na matasa wannan su ci gaba muna son wannan shiri ko muna son a ce studio kalangu ta sako wani shiri wanda ya shahe musulunci na wayin matasan nan ka su gane in zaman su rayuwar yau cikin addini lalle a shirye-shiryen da suke ba mu ce ba su yi ba sun yi muna son ƙari saboda an gane daga jama'a na gaba kuma an gaba shayi wannan shi zai sa kasa ta zama lahiya kuma shi zai sa matasa su gane yau su tashi su nemi nasu kansu alhamdulillah ubangiji Allah sa shirye shiryen su su gane abin da kuma su ƙara mu fuskar dan kodoshin mu sauran su na Allah ya tsare wannan studio kalangu kuma Allah sa su ma'aikatan su su amince mu tare da su daga su har saman su amma da mu ai hodi kenan su eh, ni ne Siraji Mamman Sani mai kasar dalibi na jami'a mazaunin birnin Kwani muke kewa mu studio kalangu muna tare da ku ko da san fusa an studio kalangu a gaskiya bisa labaran da kuke yada muna jin daɗin shi mu kuna warma da matasa kai bisa abin da ke wakana cikin Nijar abin na ku yana da muhimmanci amma me ilfoki a samu a sa langakin barbarci duk da mamun Fulani ne muna so a samu na bare bari su masu san abin da ke wakana cikin Nijar sirtu ga jihar mu Difo wannan iya da daɗi a koda yaushe kuma bare bari sun hiya ma a ko lokaci yanzu su suna yawan kuna radio suna ji su ma ya kamata a ce su ma su san abin da ke wakana kawai. gaskiya dai studio Kalangu suna birge mu musamman fannin labaransu akai-akai suna wayar da kanmu muna jin daɗin labaransu kai tsaye sai dai wani lokaci haka farfuwa akwai matsalan satelit gaskiya kamata su karfafa satelit dinsu a koda yaushe mu samu tashar nasu saboda suna wayar muna da kai muna jin daɗin labaran da suke sakan muna suke ba mu labarin Nijar a cikin a lokaci kalilan za ka samu labaran Nijar da abubuwan da suke wakana a cikin ƙasar Nijar Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, ici prend fin cette émission de ce vendredi 26 avril 2024. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et de moi-même Samira Rafi pour la présentation. L'édition a été assurée par Adama Dawaki et à la technique, nous avions Aminas. Excellent week-end à vous et rendez-vous ce week-end dans l'actu des jeunes en français et en Hausa. Ça sera avec moi et Fanta, bien évidemment. Bye bye.